le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio et bienvenue dans le forum hebdomadaire de la presse qui reçoit des journalistes de la presse écrite locale ainsi que ceux de l'audiovisuel et médias en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du forum de la presse d'aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, la modification des horaires du couvre-feu en vigueur à Difa ayant suscité des réactions vives de la population, tout comme à Tilaberi il y a quelques mois. Au plan politique, il s'agira des mobilisations de fonds opérées par le gouvernement du Niger en huit années de gestion publique. Enfin, nous aborderons le nouveau classement des Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde dans lequel le Niger régresse de trois places par rapport à l'année passée. Autour de la table, pour en discuter, nous recevons nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir. Bonsoir. Hussein Issa, journaliste freelance. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir, Kouzi. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission. À la présentation, à la Sainte Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse. À Difa, l'attaque terroriste du 9 avril, une de trop, a conduit le gouverneur de la région à modifier les horaires de couvre-feu. À l'appel de la société civile mécontente, les habitants de Difa ont observé deux journées ville mortes qui ont permis d'ouvrir des discussions et permettre à l'autorité de réviser de nouveau les horaires de couvre-feu. Alors, sans tarder, nous commencerons avec vous, Hassan Boukar de la radio alternative, comment expliquer la réussite du mouvement Ville Morte constaté dans la région de Difa et à quoi cela est dû Bonsoir, merci. Mais ben, je pense que ce n'est pas très étonnant. Hein. Je pense que c'est euh, il y a tout un processus qui a conduit à ces journées ville morte. Ça fait quelques années déjà que la société civile dénonce justement euh, les conséquences de l'état d'urgence instauré par le gouvernement de la région de Difa. Euh, la société civile dénonce les conséquences, c'est-à-dire euh, sur le plan économique, sur les conditions de vie des gens. Vous savez que euh, au terme de cet état d'urgence, les activités économiques ont été arrêtées. la pêche, la culture du poivron, qui est une des bases économiques de la région, les mouvements des personnes sont extrêmement limités. Et donc l'état d'urgence au fil du temps, c'est avéré être quelque chose d'extrêmement pénible pour les habitants de Difa qui vivaient déjà les conséquences de la présence du Boko Haram. Et donc, il la, société civile a relayé ce, ce, mécontentement de la population, en tout cas en alertant les pouvoirs publics sur le fait qu'il fallait alléger ces mesures au fur et à mesure que l'insécurité baissait. Je ne suis pas sûr euh, qu'il ait été beaucoup écouté. Et donc, du coup, le terrain était préparé lorsque ces mesures ont été prises, euh, qui renforcent encore euh, ce, qui, ce qui existe, alors que il y a quelques mois, on a eu l'impression que le gouvernement partait vers un allègement du dispositif. donc voilà, la société civile a parlé et cette réussite pour moi, ça témoigne justement du fait que la société civile est en symbiose euh, avec euh, le reste de la communauté. Elle relaie réellement le ressenti des populations d'Edifa et C'est pour ça que finalement ces deux jours ont été deux jours de réussite, au bout desquels euh, le gouvernement, à travers le gouverneur de la région d'Edifa a été obligé de réagir. Mm. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Et Issa madougo de la radio et télévision Ténéré, pour vous également, ce n'était pas une surprise, cette réussite, entre guillemets, de, des deux journées de ville morte auquel la société civile avait appelé dans la ville de Difa et un hmm. peu dans certaines localités. Merci Kouzi. Moi je pense que c'est j'irai dans le même sens que à Boukar parce que le mécontentement était général. C'est-à-dire, c'est toute la population. La société civile a servi de relais pour euh, exposer le problème, pour démontrer la nécessité d'agir le plus tôt possible. Donc, c'est pour cela que vous avez vu cette ville morte à pratiquement marché, si on peut le dire, à 99% pour ne pas dire 100%. Et aujourd'hui, on salue le fait qu'aujourd'hui qu'on ait pu écouter ce cri de cœur de ces populations. Parce que vous savez, depuis qu'il y a cette recrudescence des attaques, il y a un nombre, un flux massif de déplacés qui sont venus vers la ville de Difa. Déjà, il y a les déplacés internes qui sont là et les déplacés externes qui viennent du Nigeria. Donc, voyez-vous, avec tout cela, la prise en charge, ça nécessite qu'il y ait des allègements pour que le quotidien des populations ne puisse pas être vraiment très étouffé. Donc moi je pense que le fait même de demander à ce qu'il y ait des allègements, ce n'est pas que les gens voulaient euh, faire euh, juste une réclamation pour réclamer, non, c'est parce que c'était nécessaire. Parce que quand vous prenez le cas même au Nigeria voisin, Maiduguri, la ville de Maiduguri, là où est né Boko Haram, n'ont pas les mêmes mesures horaires par rapport au couvre-feu qui existait là-bas. Donc pourquoi pas ici on essaye d'alléger pour que les gens puissent faire qu'avec leurs occupations. Compte tenu un peu de la spécificité climatique de la région, il faut donner un peu de temps pour que les gens puissent aller jusqu'à certaines heures en exerçant leur activité. Donc moi je pense que ce n'était pas une surprise et nous espérons que encore l'État puisse prendre d'autres mesures qui puissent alléger vraiment le quotidien de ces populations qui vivent sur l'état de chance depuis 2015. Alors, Hussein euh, Issa, euh, quelle est votre appréciation de, de, ces deux journées de ville morte qui finalement ont abouti à quelque chose à Difa oui, Alassane, en réalité, le problème qui se pose à DIFA, c'est un problème très sérieux qui, malheureusement, n'est pas en train d'être pris au sérieux. Ça fait des années, depuis 2015 que ça dure. On a institué une mesure d'état d'urgence depuis 2015. Maintenant, le nouveau gouverneur, malgré l'état d'urgence, on n'est pas parvenu jusqu'ici à endiguer les attaques. Les, seulement de Boko Haram. Ils viennent de jour comme de nuit. Ils attaquent, ils retournent. On a institué la mesure d'état d'urgence, les populations étaient d'accord avec ça, mais quand ce nouveau gouverneur est venu, et, comme avait dit, l'accueil qu'il a été réservé par les éléments de Boko Haram, c'était d'attaquer de manière régulière tous les deux jours. Il y avait des attaques. Et quand il est venu, suite à l'attaque euh, du, du, du, groupement de gendarmerie de Difa, c'est suite à cette attaque-là qu'il a décidé maintenant de durcir. Parce que la, mobilité, euh, comment veut dire la mobilité de population, est là. Vous êtes d'accord avec moi que c'est choquant. Déjà qu'on te dise qu'à partir de 20h, tu peux pas, euh, à partir de, de 22h, tu peux pas être machin, et qu'on ramène ça à 20h bien évidemment, les gens vont réagir. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer. On leur a empêché, Hassan Bouka vient de le dire, on leur a empêché de faire en tout cas les cultures, les principales cultures, les principales activités économiques, notamment la pêche, le poivron, la production de tomates. Tout ça, ça a été interdit. Hmm. Mais on ne va pas continuer à durcir pendant que sur le terrain, ça n'empêche que les éléments de Boko Haram parviennent à attaquer, à tuer, et à se retirer. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part ce n'est pas une affaire de mesure d'état d'urgence, c'est une affaire où on déploie les forces pour qu'ils soient en permanence sur le terrain pour pouvoir lutter efficacement contre ces éléments-là. Mm. Ou bien on crée les conditions pour qu'ils puissent pénétrer de nuit comme de jour, attaquer, pendant que les populations sont là désarmées, ils ne peuvent même pas euh, sortir de chez eux. Ça n'a aucun sens. Quand on veut combattre, on sait l'ennemi vient d'où on sait d'où l'ennemi vient, on met les dispositions et les, députés de la région l'ont dénoncé récemment. Hmm. Ils sont allés, ils ont dit ça n'a aucun sens. Pendant qu'il y a l'état d'urgence, ça fait quatre ans. Mais ça continue avec une certaine euh, vraiment acuité. Et ça, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que le gouverneur était obligé de reculer après les deux jours hmm. de comme avait dit, de, de, de, journée ville il était obligé de reculer pour revenir aux horaires antérieurs qui étaient là initialement il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il sait que si. Euh, euh, il y avait, n'empêche qu'il y avait quelques petites modifications. Ce n'était plus les horaires initiales, mais il y avait un petit décalage d'une heure de temps. Oui, non, il est revenu carrément aux, heures, comme avait dit, initiales. La, la, circulation euh, pour les, pour les piétons est, ramenée à 22 heures. Initialement, c'était à 23 heures. Hmm de ramener, de revoir la décision, moi je pense que c'est déjà une victoire pour la société civile. Hmm. C'est ça qu'il faudrait voir le plus, quoi, à mon niveau. Eh, Garé Amadou viens de dire que les mesures d'état d'urgence ne sont pas des mesures qui sont prises de gaieté de cœur. C'est sûr que une mesure d'état d'urgence, ce eh, c'est pas quelque chose que la population, ça va priver la population de quand même de certaines capacités de mouvement, de certaines, euh, de certaines possibilités de faire des activités, c'est sûr. Parce que quand le 13 novembre 2015, la France a été attaquée, par les djihadistes, n'est-ce pas Au niveau du Bataclan, 100, et quelques morts, n'est-ce pas, qui ont été tués. Quand la France déclenche le, plan Vigipirate, et quand la, France, décide que non, après le plan Vigipirate, il faut le dispositif épervier qui sera en fait permanent, pendant tout le temps, avec des militaires qui circulent presque pratiquement partout, dans les lieux, en tout cas les, lieux publics. Ce n'est pas parce que la France veut, étouffer ou permettre ou créer une sorte de psychose, non. C'est parce que c'est les événements qui l'imposent est-ce que vous comprenez Et quand, quand on prend une décision, c'est pour protéger la population. Quand le gouverneur prend cette décision, c'est pour protéger la population. Bien sûr, la population proteste, elle dit que non, il faut alléger. Ce qu'il faut d'abord féliciter, c'est la disponibilité du dialogue des autorités ce n'est pas une dictature. C'est-à-dire qu'ils ont pris une décision, la population a protesté, on s'est assis autour d'une table, on a discuté et puis on a réaménagé. Maintenant, tout le monde est content. Parce que tout le monde est conscient d'une chose. Hmm. S'il y a le monde de relâchement, c'est-à-dire que Boko Haram, les attaques qu'elle mène là, elles vont se multiplier. Imaginez s'il n'y avait pas l'état d'urgence, ce que Boko Haram aurait, aurait, pu commettre. Rappelez-vous au début de Boko Haram au niveau de Difa, avant l'état d'urgence, des attaques au niveau de la douane, des attaques ici, ici, des roquettes qui tombaient par-ci, par-là. Est-ce que vous comprenez Donc, quoi qu'on dise, l'état d'urgence a permis de réduire, je n'ai pas dit d'annuler les attaques, de réduire les attaques de Boko Haram. Donc, quelque part, j'ai dit, euh, euh, euh, s'il y a un dialogue comme ça entre, entre les autorités et, la population, ça peut permettre de donner plus de retard. Mais maintenant, l'allègement de la mesure, ça, ça encore, ça, amène la population à encore beaucoup plus de responsabilités. Parce que l'autorité a voulu et, mettre en place l'état d'urgence, enfin le, couvre-feu à partir de telle heure à telle heure. Vous avez dit non, non, non, il faut ça. D'accord, il n'y a pas de problème. L'autorité, face à la pression de la population, elle a reculé. Mm. Maintenant, il est de votre responsabilité, en tout cas, de participer au combat contre Boko Haram. Ce n'est plus un combat des militaires, c'est un combat aussi de la population. Ah, il faut donner des informations. Quand vous voyez des éléments suspects pour qu'on puisse les neutraliser, il faut que vous aussi, quand vous avez la possibilité de neutraliser des éléments, que vous puissiez le faire. Oui, alors Garé, euh, vous avez justement salué cette disponibilité au dialogue, euh, en tout cas qui est intervenue. Il a fallu qu'il y ait ces, deux journées de ville morte, euh, en tout cas qui traduit un peu le mécontentement de la population pour aboutir à cela. Et comment expliquer que tout comme à Tilaberi, si vous vous rappelez, il y a quelques, il y environ deux mois, c'est seulement après aussi coup que les habitants ont, été consultés pour trouver finalement un terrain d'entente. Non, vous savez, dans le cadre de la gestion du pouvoir, l'administrateur prend, des prend prend décisions. Maintenant, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire que si vous, vous réagissez, s'il voit que, par exemple, toute la population est sortie, par exemple, la ville morte au niveau de DIFA, on a vu que c'est un succès, presque tous les boutiquiers ont fermé. Donc ça, ça amène à réfléchir. C'est juste un rapport de force. C'est-à-dire que si la population n'avait pas réfléchi, n'avait pas réagi, eh bien, les mesures, les premières heures là, allaient rester. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment un, truc de rapport de force. Mmh. Donc, quand une société civile, on constate que l'autorité constate que cette société civile là n'est pas représentative, qu'elle ne mobilise pas assez de personnes, mais écoutez, ça ne peut pas faire changer les situations. C'est tout simple. C'est une équation très simple. Voilà. Bien, Gary. Euh, nous donnons la parole à, oui, Hassan Bouka. Oui, c'est ce que je veux dire. Par exemple, les autorités de auraient pu être inspirées par ce qui s'est passé à Kilabi. C'est-à-dire, voilà une autorité qui prend une décision cavalière, qui considère que moi, en tant que gouverneur, je prends une décision, puis la population réagit à travers des journées villemontes, puis vous reculez. À Difa, elle avait la possibilité de dire aux gens, écoutez, euh, c'est vrai que les gens sont fatigués de l'état d'urgence, on voit euh, toutes les conséquences que vivent les populations dans la région de Difa, mais face à la recrudescence des attaques, que faut-il faire c'est assez facile et de façon consensuelle. Si il y avait eu cette discussion, une concertation, euh, euh, elle, aurait permis d'économiser ces deux journées de ville C'est, là, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire, nos dirigeants continuent à croire qu'ils n'ont pas des citoyens, mais qu'ils ont des sujets. Nous sommes dans une démocratie. Les citoyens, on les concerte, on discute, on prend les décisions. Et ça évite d'aller vers un état euh, d'affrontement entre la communauté et les dirigeants. C'est assez simple et Issa Madougou, euh, ce qui s'est passé, on va dire, il y a quelques mois à Tilaberi, euh, c'est pratiquement ce qui s'est passé à, Difa, où euh, on prend euh, en tout cas des décisions par rapport à la limitation de la circulation des personnes et, des, véhicules. Les populations protestent. On revient à une décision, en tout cas, qui qui, qui ramène la calme. oui, Juste, euh, trouver le juste milieu. Mais, vous savez, la question de, de gestion des crises sécuritaires, ce n'est pas seulement une affaire de l'État. C'est un ensemble. C'est tout le monde qui doit participer. Donc c'est pour cela, parfois, il y a des difficultés quand on prend des mesures comme l'état d'urgence. L'instauration de l'état d'urgence dans une région, ça pose problème. Ce n'est pas seulement au Niger que cela existe. Mm. Par exemple, quand vous prenez dans la région du Sahel au Burkina, quand ils ont décidé de porter ça, mais là-bas, parce qu'il y avait cette démarche participative qui avait eu lieu, qui avait précédé l'instauration de l'état d'urgence. Parce que, vous savez, là-bas, on n'a pas la même configuration. Les chefs traditionnels ont un poids très, euh, euh, très visible, important dans le dispositif, dans la prise de certaines décisions. Donc, ils ont mené des campagnes de sensibilisation pour que tout le monde puisse comprendre cela. Donc, on n'a pas besoin, parfois, de faire parachuter des décisions, parce que c'est une question de sécurité. Et la sécurité, qu'est-ce qu'il faut Surtout dans ce type de... Eh, dans cette situation très précise, où c'est quoi C'est le renseignement qui prime. Ce n'est pas seulement venir avec des armes sophistiquées dans le terrorisme, que vous soyez le mieux équipé, avec des armes vraiment ultra modernes, vous ne pouvez pas gagner cette guerre tant que vous n'avez pas l'information qu'il faut, les bons renseignements et à temps. Mm. Donc, voyez-vous, c'est une affaire de tous. C'est pour cela, parfois, il faut éviter de parachuter certaines décisions. Il faut qu'il y ait de la concertation et de la responsabilisation de chaque couche de la société pour que ensemble on puisse voir comment résoudre ce problème en minimisant les impacts négatifs des incursions de l'ennemi. Hussein Issa, euh, euh, Issa Mormadougou vient de dire que la gestion de la sécurité et de la chose publique, c'est une affaire de tous. Euh, Hassan Boukar parlait aussi de, de, cette concertation qui a manqué, qui aurait pu euh, permettre d'économiser justement, justement on, a toujours, on a toujours mis en avant, effectivement, c'est que quand il y a une situation sécurité, d'insécurité dans une zone, il faut que tout le monde participe. Ce n'est pas une simple affaire des forces de défense et de sécurité. Ça concerne tout le monde. Mais ce qui est vraiment déplorable, hein, ce qui est déplorable, c'est que souvent on a vu, aussi bien dans la région de Tilaberi que dans la région de Difa, des gens qui ont collaboré, ils ont dénoncé, on a attrapé des éléments terroristes en guise de représailles, on vient, on les trouve, on les tue. Parce que quand le problème se pose, quand les gens collaborent, il faut qu'ils aient la garantie nécessaire qu'ils vont être sécurisés. Ils vont être sécurisés, ce n'est pas juste parce qu'il y a une attaque. On déploie une patrouille ou, comment dire une mission de poursuite. Et ensuite, on abandonne la zone. Mais ceux qui ont dénoncé là, parce qu'il y a des complicités souvent internes dans les villages. Ils peuvent dénoncer, c'est un tel, c'est un tel. C'est ça qui fait qu'on égorge les gens. On vient, on massacre toute une famille. Parce que tout simplement, il n'y a pas cette protection, il n'y a pas cette garantie. Les populations, et c'est déjà une chose qui dissuade la, la collaboration. Mais la collaboration, oui, bien sûr. Mais vous savez. Bah, mais, vous savez, par exemple, dans la zone nord, de là, bah, je ne sais pas si vous connaissez vous, Diallo, qui est président des, éléments' des, Du Conseil Nord, Mais il m'a rapporté souvent que souvent il y a des attaques où on appelle pour dire des éléments sont en train d'attaquer une localité, même pour l'envoi, en tout cas des, renforts, c'est des heures après, quand l'ennemi a fini de, de, de poser l'acte qu'il est. C'est à ce moment que les éléments arrivent sur le terrain mais, c'est ça, la difficulté. la difficulté. parce que quand on met en état, quand on place une zone en état d'urgence, c'est qu'on doit pouvoir faire des patrouilles permanentes de jour comme de nuit. On ne doit pas dire aux populations, à partir de tel, vous ne circulez pas. Mais pendant ce temps, vous dites, vous ne circulez pas. Quand la nuit tombe, les éléments qui sont sur le terrain, les éléments, les soldats qui sont sur le terrain, les patrouilles, ils rentrent dans leur caserne dormie. C'est dans la journée que les patrouilles se font. Dès que la nuit tombe, ça, ça ne présente pas de garantie pour les populations locales. Et quand on dit, ils collaborent. Hein. Vous avez les preuves de ce que vous annoncez. Non, mais je suis en train de le dire. Et ça a été dénoncé par les, élus de la région de, Difa. Ça a été dénoncé. Et les sages de Difa se sont réunis récemment. Ils ont élaboré un document qu'ils ont dit, déclaré et annoncé qu'ils vont transmettre ça au président de la République par rapport à une contribution pour pouvoir lutter efficacement. Mm. comment dirais-je, la persistance de, l'insécurité dans la région. Euh, Garé Amadou, vous voulez réagir rapidement Ce que je, ce que je veux, dire, en réalité, la gestion d'un État ne se passe pas comme, comme on pense. C'est-à-dire, c'est pas pour prendre chaque décision, il faut consulter quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que celui qui gère l'État, en fonction des informations qu'il a, il prend certaines décisions. Vous voyez, quand on déclare que la zone de, de, de Tilaberi, on dit que c'est une zone rouge, on ne consulte pas la population pour décider que c'est une zone rouge et qu'il est interdit pour les ressortissants étrangers de prendre. On ne les consulte pas, mais on a les informations nécessaires pour permettre de prendre cette décision. C'est toujours comme ça. Et ne pensez pas que c'est dans le, le gouverneur, c'est dans son bureau qu'il a pris cette décision de, ramener l'état d'urgence de la Il a réuni les autorités militaires, il a réuni certaines autorités coutumières, certainement. La décision a été prise. Mais maintenant, la société civile, ça c'est encore un autre, bloc. C'est elle qui a lutté et ça a permis peut-être de, rapprocher, de, rapprocher les positions. nous passons au second sujet de cette émission. Lundi dernier, face à la presse, le chef du gouvernement a communiqué sur les huit années de la gestion du programme de la Renaissance du président Issouf Mahamadou, un peu moins de 10 000 milliards ont été mobilisés par l'État du Niger durant ces huit années d'exercice. Je vous propose de suivre par secteur les montants annoncés par le Premier ministre Brigitte Raffini. Pendant les huit ans, il a été mobilisé un peu moins de 10 000 milliards de francs CFA en termes de budget de l'État. L'essentiel de ces financements sont allés directement au peuple. Il y a bien sûr la question préalable de sécurité auquel on consacre beaucoup de ressources. 737 milliards pour la sécurité, 130 milliards pour l'hydraulique, 552 milliards pour le développement rural, 854 milliards pour l'éducation, la santé 357 milliards, l'énergie, les infrastructures énergétiques et de communication 461 milliards, les régies financières et autres 930 milliards. Et durant les 8 ans, il a été distribué en salaire 1705 milliards 177 millions. Vous venez de suivre le Premier ministre Brigitte Raffini. Hassan Boukar de la radio alternative. Euh, ces dépenses ont-elles été rationnelles, à votre avis, par secteur euh, prioritaire, même si tous les chapitres sont <laughs> prioritaires au Niger D'accord. Bon, euh, vous savez, en matière de, d'investissement, en matière de ressources, en matière de budgétisation, ce que le Premier ministre a dit, ce n'est pas suffisant pour porter un jugement éclairé là-dessus. vous savez qu'en matière de budgétisation, l'argent, c'est seulement un moyen, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, si vous investissez 500 euh, 000 ou 2000 milliards dans l'éducation, la principale question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous avez changé dans l'éducation Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent que vous injectez, mais quand vous injectez l'argent, comment est-ce que vous arrivez à transformer ce secteur-là Quels sont les objectifs qui sont attendus et en quoi l'argent investi a permis finalement de, le faire. Mais aussi, quelquefois, il utilise un verbe assez subtil, hein, ils mobiliser. Mobiliser, ce n'est pas investir. Rappelez-vous qu'en 2013, le président de la République a fait un message à la nation où le rappelez d'importantes sommes d'argent ont été mobilisées, mais l'administration a du mal à les décaisser. C'est-à-dire, c'est mobiliser, officiellement ça arrive au, nom du Niger, mais dès lors que vous n'arrivez pas à décaisser, ça veut dire que vous n'arrivez pas à l'investir. Et en particulier en ce qui concerne le volet investissement, l'administration, selon les députés de la République, a du mal donc à, aller terminer le travail, puisque lorsque vous mobilisez, c'est une partie du travail. Il faut aller décaisser, investir et atteindre des résultats, c'est l'autre phase du travail. Et c'est la partie la plus importante. Donc, qu'on annonce des chiffres comme ça, on le dit à une opinion qui souvent s'intéresse bien au quantitatif. C'est-à-dire, vous jouez sur le quantitatif, et donc l'opinion observe en disant oui, il y a eu beaucoup d'argent. Mais la question principale aujourd'hui, regardez sur la sécurité, là, selon les chiffres qu'il a annoncés, on a investi beaucoup d'argent dans la sécurité. Les dépenses ont été multipliées par plusieurs fois depuis 2011. Mais regardez bien la situation de la sécurité. La question c'est, est-ce qu'on a été efficace en matière de sécurité Est-ce qu'on a investi là où il faut investir est-ce qu'on a été efficient en matière de sécurité Est-ce que tout cet argent-là qui a été investi, est-ce qu'on avait besoin de tout ça pour obtenir le résultat qu'on a ou le résultat qu'on aurait pu obtenir Et donc, ça pose, à mon avis, plusieurs questions. Donc, balancer des chiffres comme ça, les chiffres en eux-mêmes ne veulent rien dire. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites aujourd'hui, le taux de couverture en matière de santé est passé de 20 à 25 à 30 Très bien. Si vous dites en matière de sécurité, euh, le nombre d'attaques a réduit de tel, oui, ça renvoie à des résultats. Mais les chiffres en eux-mêmes, ça ne veut rien dire. Issa Mormadougou, c'est votre point de vue aussi Bon, écoutez, euh, vous savez, le, français, c'est une langue très élastique. Chacun peut, un mot n'a que de sens dans son contexte utilisé. De, bon, de toutes les façons, moi, ce que j'ai en lisant, en parcourant le document, le résumé, et quand même j'ai vu la seule partie où, ou bien le seul secteur où le gouvernement a reconnu que malgré les investissements, rien n'a été fait, rien n'a bougé, c'est l'école. Pourtant, vous le savez très bien, c'est là-bas que le président fout dès son arrivée au pouvoir en 2011, a pris des engagements forts. 25% du budget seront injectés dans l'éducation. L'école, c'est là obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans on parle des autres secteurs, on dit que ça va. Mais écoutez, on a mobilisé ou bien on a investi. Moi, surtout sur le plan de, la santé. On dit que des efforts ont été consentis, mais certes, des efforts ont été consentis, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que tout ce qu'il a eu à faire ont amélioré qualitativement l'accès aux services de santé de qualité Est-ce qu'aujourd'hui, c'est il y a un répondant direct quand vous partez dans un centre de santé et que vous soyez traité conformément comme les services de l'accueil, ça se fait dans un service de santé. Il y a quelques jours ici, même à Niamey, Niamey, la capitale du Niger, il y a l'hôpital de la mort de l'hôpital de Niamey où il est difficile de faire la radio. Donc, c'est que ces investissements qui ont été faits n'ont pas été faits dans le bon secteur. Les gens parlaient du bâtiment. Le bâtiment, c'est même le bâtiment. Moi, je ne dirais pas que le bâtiment, ça va changer le quotidien des Nigériens. Il est beau, que ça, de voir qu'il y a l'embellissement. Mais tant que dans l'assiette du Nigeria, rien ne change, son quotidien ne change pas, ce qui veut dire qu'il y a des efforts à consentir. Le rien n'existe pas. Moi, je ne peux pas dire qu'en huit ans, le président n'a rien fait. Le rien n'existe pas. Mais quand même, il y a des secteurs où on l'attendait plus. Comment on dit que l'initiative 3 est une réussite En quoi Où nous commandons chaque année. Vous vous rappelez le dernier, euh, la dernière rencontre qui s'est déroulée en décembre Mm. avec les partenaires techniques et financiers, où c'était des millions de Nigériens qui étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. Encore, non, il faut arrêter du slogan. Il fallait faire le travail qu'il a fallu. Parce que l'initiative troisième, telle que ça a été présenté en 2012 dans le plan de développement économique et social 2012-2015, si c'était ce programme qui a été réellement exécuter pas ce, programme d'atelier où le troisième, on le constate que dans l'organisation des ateliers. Si c'est réellement ce programme mm. qui a été réalisé sur le terrain, je vous assure qu'aujourd'hui, le Niger serait capable d'exporter des aliments de base dans des autres pays. Mm. Mais c'est des efforts qui. C'est ça qu'on veut entendre. Quand on dit qu'on a investi, en quoi ça a changé Est-ce qu'il y a une partie des Nigériens qui ont profité des marchés, pour qui le quotidien a changé. Non, c'est l'ensemble aujourd'hui. Il y a les 92% qui ont voté pour Issoufou selon les derniers résultats de, selon les résultats de, de 2016. Donc il faut que la majorité de ces 92% puissent constater un changement dans leur quotidien quand on parle de 10 000, milliards. 10 000 milliards comment Dans un pays où l'électricité reste un luxe. Dans un pays, pour finir, allons, dans un pays où la misère a eu un contrat de durée indéterminée. Non, il faut. Et ça, nous allons revenir à vous. Il y a beaucoup d'autres aspects à aborder sur cette question de, en tout cas, de, de bilan de 8 ans. Hussein Issa. Euh, vous avez entendu en tout cas euh, le bilan qui a été fait euh, lundi par le Premier ministre Brigitte Raffini. Beaucoup de milliards ont été mobilisés. Hassan Boukar parlait de noter le fait qu'on parle de mobiliser et non en termes d'investi. Quel était votre sentiment Je vais, d'abord dire, ce que j'ai retenu, c'est qu'il avait parlé de salaire, mais le salaire ne doit pas figurer dans un bilan. Ça n'a aucun sens qu'on dise que a. Non, le salaire, c'est un but lié à un effort. Mais dire qu'on a payé les salaires et on met ça dans un bilan. Maintenant, pour me résumer, pour ne pas euh, euh, euh, répéter. ce que les autres ont dit, on, considère que sur les huit ans, dans un premier temps, on a annoncé des belles, des belles initiatives, notamment 3N, tout ça. Mais en cours de route, on a changé, on a dévié. On, on a investi dans le béton. En abandonnant l'investissement dans le capital humain. Vous voulez dire les infrastructures Les infrastructures, le béton, mm. parce que c'est là que ça rapporte. C'est des milliards. C'est milliards, c'est visible, et puis ça rapporte. Mais l'investissement dans le capital humain, Aujourd'hui, parce que je l'ai suivi un peu, il dit il y a eu les infrastructures. Vous avez beau créer, euh, créer des classes, des, des, écoles, mais quand les enseignants ne sont pas dans les classes, c'est pas les classes même, quand l'enfant va venir, il faut bien qu'il y ait un enseignant pour pouvoir. Aujourd'hui, ça atteint même l'université, où l'université dysfonctionne. Moi, j'ai dit l'investissement dans le capital humain, c'est le, plus important pour un pays pauvre. Et c'est ça qui fait que nous sommes derniers pratiquement toutes les années dans le classement de, l'IDH, l'indice de développement humain. C'est ça qui fait que nous sommes derniers. Et on essaye de vouloir. Non, les chiffres ne veulent rien dire. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Nigériens Pas grand-chose. Il y a plus tôt, on peut même parler de, régression. Parce que les conditions se sont détourées avec la nouvelle loi de finances 2018 qu'on est venu imposé avec des nouvelles mesures fiscales qui ont été imposées aux populations, où ceux qui étaient à l'habitude de payer un coût comme au niveau de l'électricité, l'eau, tout ça, ça a augmenté. Alors que le revenu n'a pas bougé. Et qu'on vient de parler qu'on a payé le salaire. Mais payer le salaire, là, c'est obligé de payer le salaire parce que ce n'est pas, ce pas de l'aumône. Le salaire n'est pas l'aumône. Bien. C'est la contrepartie de l'effort fourni, le travail par rapport à un travail fourni. Garé Amadou de, du quotidien La Nation. Garé, euh, quelle était votre impression dans ce bilan Est-ce que vous avez l'impression que l'accent a été mis sur le quantitatif ou sur le qualitatif Oui, euh, moi, contrairement à tous ceux qui sont sur ce plateau, j'étais à l'activité là, j'étais du début jusqu'à la fin. Vous n'avez mis qu'une partie, mais en réalité, il a parlé des investissements qui ont été faits dans tous les secteurs. Et quand on parle de masse salariale, quand le Premier ministre dit que 10 euh, 000 euh, euh, milliards ou combien de 1700, milliards 1700 milliards ont été, ont été consacrés au salaire. Mais ça a une signification. Ça veut dire que la masse salariale, quand elle augmente là, c'est pas parce qu'on a augmenté les salaires des gens, parce qu'on a recruté des Nigériens à la fonction publique. Est-ce que vous comprenez mm. C'est-à-dire que les, la fonction publique a pratiquement explosé. Des Nigériens qui étaient au chômage ont été recrutés. Il faut le dire au peuple. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent n'est pas parce qu'on a augmenté les salaires déjà. Non. Ceux que des Nigériens ont été recrutés, des Nigériens qui chômaient depuis longtemps, ont eu la possibilité, pendant ces huit ans-là, d'être recrutés dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la santé. C'est l'une des raisons qui, euh, qui ont. là-bas, toi, tu n'étais pas là-bas. Oui, bon, donc voilà. Moi, je sais de quoi je suis en train de parler. Issa Madougou, on va, on va les laisser finir. Après, on, on, Parce que si là-bas, j'allais te voir. Issa Madougou. Laisse-moi. Issa, bon, Madougou, on va eh, les laisser finir. après, tu rebondis. Le document là. Le document là. Le nombre de recrutés. Ce n'est pas que je suis en train de. Laisse-moi finir de parler. Quand tu parlais, je ne t'ai pas interrompu. Il va finir. C'est vrai que ça il va finir. Moi, je dérange. C'est comme ça. Je dérange. Parce que voilà. Donc. Bien, on y va. On y va. Vous, savez, vous ce qui me choque. Mm. Mais il faut dire aux gens ce qui est fait. Le président Issou, la dernière fois, il dit non. Il dit il n'a jamais dit qu'il a réglé tous les problèmes du Nigeria. Et il n'a jamais dit que quand il va venir au pouvoir, tous les problèmes seront résolus. Mais des efforts ont été faits. il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Dans le domaine de la sécurité, le Niger est le seul pays de la sous-région, je vous fais une anecdote, qui, qui est encore dans une sorte de stabilité. Je vous fais une anecdote. Mm. La dernière fois, j'étais dans le bureau d'une responsable d'une ONG internationale. Elle ne me parlait pas, elle parlait à quelqu'un. Elle dit ce pays, c'est un État fort. Voilà les mots qu'elle a expliqués. Pourquoi Elle dit parce que ce n'est pas comme le Mali, ce n'est pas comme le Burkina, où les États sont pratiquement tombés. Ou le Nigeria, où l'autorité est presque tombée, où Boko Haram fait ce qu'elle veut, elle attaque les camps militaires. Mm. Elle dit ce pays, c'est un État fort qui mérite qu'on le soutienne. Je vous dis, mm-hmm. c'est Elle dit c'est un État fort. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand le président Issouba est arrivé au pouvoir, il a dit je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Malheureusement, entre 2009 et 2013, Boko Haram a commencé, et en tout cas vers 2012, Boko Haram a commencé à attaquer Difa. La situation d'insécurité a amené l'autorité à revoir les politiques publiques. C'est-à-dire que si on a promis, par exemple, au niveau de l'éducation, de consacrer 25% du budget, le contexte sécuritaire fait qu'on ne pourra pas faire cela. Je crois que Alternative Espace Citoyen, quand ils ont fait les, ils ont dit que ah, c'était à 13% parfois, donc loin des 25%, mais ça peut s'expliquer. Parce que justement, grâce à cet investissement-là qui est fait dans le domaine de la sécurité, le Niger aujourd'hui ne ressemble pas au Burkina où il y a des attaques pratiquement chaque semaine. Le Niger n'est pas dans ce pays-là, n'est pas ce pays-là comme le Nigeria où Boko Haram peut prendre un camp militaire. Le Niger n'est pas comme le Mali où une partie du territoire est occupée pratiquement où l'autorité centrale ne peut pas avoir accès. Donc voilà des choses. Et je vous dis, sur le plan euh, euh, euh, économique même, mais le FMI, la Banque mondiale, vient ici. Sur le plan économique, je vous parle de la croissance économique du Niger. garé sur le plan de l'éducation. Mais sur le plan de l'éducation, je vous dis, ce qui a plombé sur le plan de l'éducation, c'est d'abord le fait que les investissements promis n'ont pas été, en tout cas, à l'arrivée, parce que dû au contexte sécuritaire. C'est-à-dire, il l'a même expliqué, le Premier ministre l'a expliqué lors de l'activité. Il dit que l'État était obligé, face à des promesses qu'ils ont faites d'investissement dans certains secteurs, dans le contexte sécuritaire, de réduire certains. Ça, c'était normal. Mais je vous assure que, et moi, je ne dis pas que tout est rose ici au Niger. Tout est, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. N'est-ce pas Il y a des problèmes dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de la sécurité, il y a des choses à revoir dans le, cadre dispositif. Mais je vous assure que ces investissements n'ont pas été vains. Parce que je vous dis, aujourd'hui, le Niger est le pays où les étrangers où les Occidentaux ont plus envie de venir parce qu'ils sentent que là, il y, a une certaine sécurité quand même. C'est clair et net. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut dire que tout, tout ce qui a été fait est parfait. C'est vrai qu'il y a des efforts encore à faire, mais je vous assure que des, investissements ont été faits. On dit que les bâtiments, ça ne sert à rien du tout. Mais non, je suis désolé. Mais un un, un coopérant est venu ici, il dit non. Quand tu viens dans un pays, et que tu vois qu'il y a des chantiers, ça veut dire que ce pays-là, c'est bon, tu peux investir. C'est ce qu'il dit. Il dit, quand tu viens dans un pays et que tu vois aucun chantier, tu dois t'inquiéter. Il dit, mais quand tu vois des chantiers partout, ce pays-là, il est en train de se construire. Bien. Et rapidement, vous voulez En fait, ce que euh, moi, je voudrais dire, ajouter quelque chose. En fait, aujourd'hui, ce n'est moi, je l'ai dit tout à l'heure, personne ne peut dire que ce n'a rien fait. Mais c'est quoi Quand on fait un investissement, il faut qu'il y ait ce changement dans le quotidien. Par exemple, pourquoi le béton Les gens disent que le béton, le béton, le béton. Quand on fait les coupes budgétaires, on ne peut. Les bâtiments, c'est quoi C'est un fourre-tout. Même dans les ferries scandinaves où la corruption a un, un degré minimum, on fait on, on, crée des chantiers parce que dans les chantiers, c'est la seule manière où vous pouvez voler l'argent du public. Et les chantiers qu'on est en train de faire, c'est quoi C'est du partenariat public-privé. La majorité de ce qui est en train de se passer ne nous appartient pas. Le bâtiment, même le bâtiment nouveau des finances, là, tout le monde sait que c'est un contrat partenariat privé. Souma, ce n'est pas eux qui étaient au Sénégal. Ils ont eu des problèmes parce qu'ils veulent gérer tout en 30 ans. Bien. En 30 ans, où est la souveraineté du pays Issa Voilà, c'est des choses comme ça. Ce n'est pas qu'on ne veut pas dire que Issouf n'a pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui. a fait. Il y a des choses que a fait de positif. Est-ce que vous pouvez nous citer, est-ce que vous, avez en tout cas pu noter euh, des, avancées euh, significatives qui méritent d'être euh, saluées Et quel est le défi, à votre avis, auquel Issouf doit s'atteler dans les deux prochaines années Quand vous prenez par exemple le fait seulement d'installer toutes les institutions de la République conformément à la Constitution, moi je pense que là, Issouf a fait. Parce que au moins tout ce que la Constitution a dit comme institution a été installé. Hmm. Maintenant, il y a aussi un autre plan où se va fait de son mieux, c'est la sécurité. Mais tout le problème au niveau que eh, au niveau de la sécurité où ça ne va pas, c'est le fait que le Niger s'est inséré dans une agenda qui n'est pas l'agenda nigérien. C'est l'agenda extérieur occidental. tout à l'heure, quand Garé disait que les gens se... non, non, je, juste, je veux prendre sa phrase, que quelqu'un a dit euh, euh, quand les Occidentaux vont venir ici, ou bien il a dit. Euh, les bâtiments, les regardez quand, quand il y a des chantiers, ça, dire La réussite, au lieu de faire dans le bâtiment là, on peut prendre ce bâtiment, l'argent là, on peut le geler pour investir l'éducation. Quand on a une éducation solide et une. Issa nous passons parce que nous n'avons pas assez de temps, on a d'autres sujets à aborder. Hassan Boukar, rapidement, votre, quel est le défi aujourd'hui, à votre avis, auquel il souffre? peut s'atteler euh, dans les prochaines années Normalement, il est en train de plier bagages. Donc, euh, je ne sais pas s'il a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il reste encore quelques temps. Peut-être que ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est des élections libres et transparentes. Je pense que du point de vue des autres, euh, normalement, il est en train de terminer, donc peut-être des élections. Et, et, ça, Ousseini, ça Je suis d'avis avec Boukar. Ce n'est pas à deux ans, ce qu'on n'a pas pu faire en huit ans là. n'est pas en deux ans qu'on peut, qu'on peut réaliser les transformations nécessaires. Parce que quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, avant qu'il ne soit au pouvoir, il mettait l'accent dans ses discours sur l'investissement dans le capital humain, l'éducation, la santé. Aujourd'hui, quand on voit le parcours, ces deux secteurs-là sont Karma à l'abandon. Karma, c'est juste des effets d'annonce. On a investi tel montant, on a investi tel montant dans le secteur. Mais en quoi ça a changé les, conditions. Aujourd'hui, l'école est pratiquement. Est-ce qu'il y a un défi aujourd'hui Il pas de défi. quel défi. Quel défi C'est peut-être les chantiers qui n'ont pas pu, qui n'ont pas pu être finalisés. C'est ces chantiers-là, peut-être on va essayer de finaliser, mais il n'y a pas de défi. Garé, pas vous avez quelque chose à ajouter par rapport au. Non, vous savez, moi, ça me choque quand on me dit qu'il n'y a pas d'investissement dans le domaine de la santé. Quand je vois qu'il y a un hôpital de référence qui a été construit à Maradi, un hôpital de référence qui a été construit à Niamey, un prochain hôpital de référence qui sera construit à Tawa, ça me, fait, ça me choque alors que dans le bilan, quand vous regardez, vous allez voir le nombre de CSI qui ont été construits. Moi, ça me fait de la peine quand je vois de tels commentaires. Je vous assure. Euh, Mais je vous dis, ceux qui restent aujourd'hui, hmm. ils souffrent a fait beaucoup de... Mais les gens vont le reconnaître quand il va descendre du pouvoir. Vous comprenez Mais ce qui va rester, ce qui va rester, c'est certainement organiser des élections vraiment apaisés qui vont permettre en tout cas une alternance pour la première fois démocratique avec un président civil qui donne le pouvoir. Dernière partie de ce forum euh, garé euh, concernant la liberté de la presse, le Niger qui régresse de trois places dans le dernier classement mondial des reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. Le Niger est donc classé 106e sur 180 pays cette année alors qu'il occupait le rang de 103e. Quels sont les actes posés tout le long de l'année 2018 euh, et qui expliqueraient peut-être cette régression au Niger Bon, je pense que euh, d'abord, il faut se, euh, il faut se quand même. Euh, en tout cas, ça fait de la peine de voir son pays regresser dans le domaine de la liberté de la presse, même si, c'est vrai, au Niger aujourd'hui, quand même, nous sommes libres aujourd'hui de, de, nous exprimer. La presse est libre et indépendante. Et c'est ce qui fait que nous sommes sur ce plateau-là pour dire nos critiques, pour critiquer le gouvernement vraiment de façon verte, n'est-ce pas et dans d'autres pays, ça ne pourrait pas se passer. Je pense que la presse est indépendante. Quand on voit certaines unes de journaux, n'est-ce pas, où pratiquement c'est des insultes contre les autorités et puis il ne se passe rien, moi je me dis ça va. Mais ce qui a peut-être peiné, c'est eh, les événements, euh, en tout cas la situation de, Baba Alpha, certainement avec toute l'intoxication qui a eu lieu, bien sûr, avec un lobby <coughs> qui a fait que peut reporter sans frontières a, a pris ce classement. Mais, y a la fermeture des, Oui, c'est ça que je la fermeture par, la direction générale des impôts. Là aussi, il y a eu des intoxications parce que, euh, en réalité, c'est des c'est des problèmes, c'est des problèmes économiques, c'est-à-dire que c'est des impôts que les organes n'ont pas payés qui ont fait que euh, ces choses-là ont été, euh, enfin, ces organes-là ont été fermés. Mais bien sûr, il y a eu beaucoup d'intoxication pour faire croire que euh, les organes ont été fermés parce qu'ils dérangent. Faisons croire que c'est seulement les organes proches du pouvoir qui ont été fermés, alors que tous les organes, il y a beaucoup d'organes proches du pouvoir qui ont été fermés justement pour non-paiement d'impôts. Je pense que ce sont ces deux choses-là qui ont, qui ont en tout cas plombé le classement du Niger. Mais malgré tout, le Niger quand même est bien placé quand on voit que sur peut-être 177 pays, euh, on est 66e, mais il ne faut pas se réjouir du fait de perdre, il faut faire des efforts pour qu'on puisse encore remonter le classement. Hassan Boukar, on constate que depuis le bon exceptionnel de 2011-2012 où le Niger était euh, classé 29e au monde à cause de l'adoption des textes favorables à un bon exercice du journalisme, un recul a été amorcé dès 2013 avec le 43e rang occupé, puis l'année suivante, le Niger est classé 48e et depuis, c'est la chute euh, d'une année à l'autre. Quelle est votre lecture à ce sujet et quelles recommandations pour euh, remonter euh, l'année prochaine, pourquoi pas les années prochaines <clears throat> Je pense que dans le rapport de Reporters sans frontières, il y a quand même suffisamment d'informations. Et ces informations, une des conclusions à laquelle on arrive, c'est que la presse est le révélateur de l'état de santé d'une démocratie. Ils ont pris par exemple deux exemples assez intéressants. C'est le cas de l'Éthiopie et de la Gambie. La Gambie, d'après Yahya Jamé qui a fait presque 30 points de bon, l'Éthiopie qui a fait presque 40 points. Et donc, je pense que ce qui arrive chez nous, ça montre quelque part que euh, il y, y, a eu beaucoup de principes. Garé a utilisé le mot intoxication. Je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'intoxication sur les principes, sur les, les, annonces. Mais dans la réalité, ils ne croient pas à la liberté de la presse. Et les résultats que montrent Reporters sans frontières sont les révélateurs de la vraie réalité de ce que vit la presse dans ce pays. Ça montre qu'ils font, sur le principe, ils font des déclarations. Mais dans la réalité, ils ne croient pas à la liberté de la presse et n'ont pas arrêté de torpiller la presse. Et ces résultats montrent, à mon avis, ce recul. Ce n'est pas seulement sur une année, vous avez bien fait de le rappeler, c'est sur toute une série d'années. depuis montre 2012. depuis 2012, ça montre, que, ça montre le vrai vis de ces régimes face à la presse. Et, ce n'est pas étonnant. Moi, je pense que le fait que cette régression de 2013 à aujourd'hui où nous étions, on, dépasse déjà, on relâche les, années de modèle euh, 29e 2011-2012. Mmh. Mais de 2013 à aujourd'hui, on était de la 43e à la 106e. Moi, je pense que cette situation devrait nous interpeller. Parce que la liberté de la presse, ce n'est pas seulement l'exercice de métier de la presse. C'est aussi un baromètre pour la démocratie. Donc, tous les acteurs, y compris les pouvoirs publics et les exerciteurs, nous devrons faire un effort pour changer la situation. Ousseini, ça, rapidement Bon, mais rapidement, ce que je veux dire, c'est que, bon, qu'on dise que véritablement, les gens, ils sont venus au pouvoir. Ils étaient d'accord avec la presse quand ils n'étaient pas au pouvoir. Ils, défendaient, comme avait dit, les principes, mais aujourd'hui qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont montré leur vraie nature. Parce que tout simplement, pour eux, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi, parce que vous êtes critique vis-à-vis des magiciens, alors je vais chercher à vous baïonner. Voilà comment ça a fonctionné pendant ces, pratiquement 4-5 dernières années. Voilà comment le système a fonctionné. Le forum de la presse est à présent terminé. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, Gary Amadou, au quotidien La Nation, au Hussein Issa, et Issa Madougou étaient avec nous. Rendez-vous demain samedi à 17h30 pour le forum en Hausa sur l'impact des déchets des mines d'uranium sur les hommes les animaux et l'environnement à Arlit et dimanche à la même heure pour le forum en Zarma sur l'autonomisation des femmes rurales.